invisible, votre déclaration est incolore, inodore et sans saveur. C'était seulement de la littérature et du laïm laïm. Monsieur le ministre, en 2012, le président Macky Sall, entre les deux tours de l'élection en France, il est parti demander un appui budgétaire à la France. Dix ans après, vous répétez la même chose pour demander un autre appui budgétaire et eh, chaque jour vous nous parlez de budget de 6 000 milliards et que nous avons un xaalis bi naat na fi dem demander un appui budgétaire de 6 000 milliards un appui budgétaire à la France une économie qui marche ne commande pas Monsieur le Premier ministre, je suis un jeune du Sénégal et quelqu'un du nom de Maître Abdoulaye Wade avec qui et vous et votre ministre des Finances avez eu à travailler nous a appris à croire en nous et à avoir des grandes ambitions. Vous avez appelé à li de rupture dix ans après nous avons tàllalaat ay de li nga France le peuple du Sénégal notre génération n'a pas besoin de plans sociaux plan fakir, ak ndóol soxla ko xamuñu lan la ñu soxla suñu bëggee faju faju suñu liggéey liggéey am emploi la jeunesse a attendu des opportunités pendant jusqu'à la veille de, votre, de fin de votre régime pour se voir servir des promesses on n'a pas besoin d'un budget social, mais d'un budget créateur de richesse. Pour les Sénégalais, l'aspect social de notre budget fragilise le système économique. Vos infrastructures, telles que Dakar Arena, le SICAP, le Radisson, que vous avez donné à des étrangers ne sont pas rentables après qu'il def milliards il y a un manque de cohérence dans la programmation et la mise en œuvre des projets d'infrastructure faible producteur des facteurs investissement peu productif industrialisation faible voire nulle subvention élevée mais mal ciblée ainsi qu'une rigidité à la hausse des prix faible capacité d'exécution des projets échec total un appel à la concurrence violence insuffisante pour lépp di dire jox ay bas parce que l'on moo leen monsieur le ministre les malais vous avez si vous voulez travailler travaillez pour le Sénégal parce que nous, la ci et que nous, avons ñoo ñu ngi peuple bi la question du troisième mandat ce n'est pas un gouvernement de combat contre la vie chère contre le chômage mais c'est un gouvernement de combat pour défendre et légitimer li nga la troisième candidature du président Macky Sall vous aurez en face de vous le peuple sénégalais debout et engagé je vous remercie. Merci, cher collègue. তারপরে আমরা টু কলেগ আবদুল্লাহ ইউব স্যার